forum du studio le forum du studio le forum du le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du le forum du Auditeurs, auditrices du studio Kalangu, bienvenue dans le forum de la presse de ce vendredi 23 mars 2018. Le forum de la presse, c'est ce rendez-vous hebdomadaire avec des confrères de la presse écrite, de l'audiovisuel ou de la presse en ligne pour décortiquer l'actualité de la semaine. Au menu du forum de ce soir, la crise à l'université Abdoumoumouni de Niamey qui semble être loin de prendre fin malgré l'annonce de la levée du mot d'ordre des grèves illimitées. Nous verrons ensemble comment évolue la situation. Sera notre plan cette semaine les promoteurs et directeurs de publication des journaux indépendants ont fait une sortie médiatique pour dénoncer ce qu'ils qualifient, je cite, de l'assassinat programmé des médias indépendants par les autorités de la 7e République pour cause les contrôles fiscaux dont ils font l'objet. Sur le plan sanitaire, une nouveauté, il a été décidé que désormais les évacuations sanitaires pour les ministres et députés seront soumises à l'approbation de l'hôpital général de référence, une mesure du temps pour réduire les charges de l'État. Enfin, 12 des 15 nouveaux membres du CC sont connus. Les différentes organisations socio-professionnelles ont procédé par élection de leurs représentants. À suivre avec nos confrères les conditions du déroulement de leur élection et les tâches qui attendent les nouveaux conseillers. Pour discuter de tous ces sujets, nous sommes en compagnie de nos confrères Gary Amadou du quotidien La Nation. Bonsoir Gary. bonsoir. Elage Mohamed Suleiman du journal en ligne Nigeria Inter. Bonsoir Suleiman. Bonsoir. Et Arimi Abakiari qui est journaliste à la radio alternative. Bonsoir Arimi. Bonsoir. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Présentation de l'émission Alassane Kouzi Mohamedou. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le forum de la presse que nous ouvrons par la crise à l'université Abdoumouni de Niamey qui semble être loin de prendre fin malgré la levée du mot d'ordre de grève illimitée la semaine dernière par les enseignants-chercheurs. Ces derniers sont parvenus avec le ministère des enseignements supérieurs à un accord qui met fin à la grève illimitée. Dans l'accord, il ressort entre autres la délimitation de la franchise universitaire et le maintien de l'exclusion des leaders étudiants. Malgré cela, il n'y a pas eu de cours cette semaine. Alors, je m'en vais tout de suite commencer euh, avec vous, euh, Suleiman Elage Suleiman Mamadou du journal Niger, à euh, ligne Niger Inter. Quel commentaire faites-vous de l'accord signé entre le ministère de des Enseignements supérieurs et le SNEX, le syndicat national des enseignants, chercheurs et chercheurs du supérieur Bonsoir à tous. Mon premier commentaire, c'est que, vous le dites bien, c'est un accord entre le SINEX et le ministère. Euh, alors qu'il y a une autre partie, euh, les étudiants, c'est quand même une partie prenante. Si on vise euh, une solution durable de la crise, on aurait pu en tout cas considérer que y aura un accord tripartite, mais ce n'est pas le cas. Effectivement, vous l'avez dit, on a vu la réaction des étudiants immédiatement. Ils ont, ils ont rejeté, disons, jeunes d'ici, ils veulent radicaliser leur, lutte, leur lutte. Donc euh, maintenant, la suite, euh, on va voir ce que ça va donner. Euh, vous l'avez dit, la semaine écoulée, les cours ne sont pas effectifs. c'est aussi une réalité. Qu'est-ce qui explique cela Ce qu'on constate véritablement, il est question désormais des libertés. donc, au niveau de l'université, comment euh, justement assurer les conditions de sécurité demandées par les anciens chercheurs. On pense que euh, le ministère, donc euh, l'État, va effectivement, donc certainement prendre des dispositions. Donc on va dans une option donc policière donc de la gestion de cette, de cette crise cest vrai que désormais, le campus, euh, en tout cas, sera, on va voir au niveau de la faculté, au niveau du campus, euh, des gendarmes et des policiers. Donc ça, c'est un fait parce qu'il me paraît évident que lorsque les étudiants, en tout cas, tiennent des propos euh, très, très durs dans le sens de radicaliser leur lutte, Maintenant, est-ce qu'ils vont laisser les autres collègues, les autres camarades qui voudraient bien. c'est un peu compliqué, je pense que. Pour le moment, on va voir ce que ça va donner. Mais on aurait en tout cas aimé créer un accord vraiment global avec les étudiants. Euh, Gary Amadou, c'est votre point de vue, l'accord signé entre le gouvernement euh, à travers le ministère des Enseignements supérieurs et le SNET aurait pu intégrer euh, l'autre partie, les étudiants Oui, je pense que le ministre de l'Enseignement secondaire a fait un énorme faux pas. Pourquoi je dis un énorme faux pas Mais le ministre savait très bien que le SNEX, e les, enseignants du secteur, avaient des, des revendications sur la base desquelles ils ont conditionné la reprise des cours. Sachant cela, sachant que les enseignants revendiquaient l'exclusion des étudiants, etc., etc., etc., etc. Ils devaient tout faire pour que cette rencontre-là, comme l'a dit Suleiman, soit tripartite, pour que les étudiants soient là. Là, le ministre n'a pas réglé le problème. Il a réglé le problème à moitié. Et un, problème réglé à moitié, il devient entier. Il est là encore, il est là, persistant. Et la preuve, c'est que les cours n'ont pas repris. Pourquoi Parce que, pratiquement, le ministre a donné satisfaction aux enseignants-chercheurs du supérieur. Et il a pratiquement euh, euh, euh conduit. C'est comme si L'impression qu'on a, c'est comme si le ministre a pris le camp des enseignants chercheurs supérieurs, et a laissé se tomber les étudiants. Alors que, quoi qu'on fasse, l'USN est une partie importante de cette, de cette crise-là. Il faut qu'on en tienne compte. Et la preuve, c'est que malgré le fait que les enseignants chercheurs du supérieur ont levé leur mode de grève, il n'y a pas de cours. Et c'est normal, c'est évident. seulement, pas seulement à ce niveau, il est important de briser quand même, en tout cas, on a fait un tour. Euh, le constat, c'est que c'est plutôt les enseignants qui ne sont pas euh, présents au niveau de l'université. Ah, voilà. Nous, en tout cas, on a fait un réalité, tour. Euh, eh, eh, eh, avait notifié sur les ondes du studio Kalangou que peut-être que c'est un problème d'information. D'autres n'ont pas l'information. ce n'est pas ça le problème. Les Non, le problème, il est encore plus crucial que ça, il est un peu plus épineux que ça. Mm. Les enseignants-chercheurs, ils chôment les cours en temps normal, même avant la grève. Voilà le problème. C'est-à-dire que ça, maintenant quand vous êtes parti faire le tour, là, vous ne les, avez pas vus. Hmm. Certainement, soit ils sont dans les universités de la sous-région en train de donner cours, ils sont dans les institutions, ils chôment et ils passent tout leur temps à donner des polycopes aux étudiants. on sait, a fait l'université de Niamey. Mais donc, mais pas pas une situation nouvelle. Et les étudiants ont dénoncé cela justement. Ils sont en train de préparer un mémorandum pour dénoncer eux aussi tous les mauvais comportements des enseignants. Euh, mais tout ça là, Alassane, pour un problème qui n'en valait pas la peine un enseignant-chercheur qui, dit avoir été agressé alors que ce n'était pas une agression. Il a eu une incompréhension avec les étudiants. De ça, on transforme ça, en bloque l'enseignement supérieur. C'est extrêmement criminel. pour moi, moi je considère ça comme criminel. Arimi Abba, euh, Kari, euh, quel commentaire faites-vous de l'accord trouvé entre les enseignants et puis euh, le ministère de tutelle En fait, je suis surpris que des enseignants-chercheurs que euh, quelqu'un qui a lui-même fait l'université, euh, à savoir le ministre, n'est-ce pas, euh, s'asseye autour d'une table pour infantiliser les étudiants. Qui peut être étudiant Ce débat a été fait à la conférence nationale et il est important peut-être de rafraîchir la mémoire de tout un chacun. Mm-hmm. N'est pas étudiant cet enfant seulement qui vient directement euh, euh, d'avoir son, bac. Je peux être étudiant. Quelqu'un qui est plus âgé, et j'en ai vu déjà, mhm. que moi peut être étudiant. Je connais un papy, je dirais, mhm. qui a été cadre de commandement dans ce pays. Après être allé à la retraite, a décidé d'aller faire quand même une maîtrise en sociologie. En modo, qui voulez Autrement dit, ce n'est pas des enfants, il ne faut pas qu'on les infantilise, sinon on fausse le débat. Ça, c'est un. Deux, j'ai comme l'impression qu'il y a un complot contre euh, un syndicat, l'un des plus importants, l'un de ceux qui ont rendu d'énormes services à la démocratie dans ce pays-là. On est en train de comploter pour pouvoir casser ce syndicat. C'est l'USN. Et ça, ça ne peut pas se passer comme ça. On peut dire qu'il y a baisse de niveau dans ce pays. On peut dire que la lutte a reculé. Mm. Mais quand on met les gens dos au mur, quand on les pousse dans leur dernier retranchement, ce qui peut arriver, c'est qu'il n'y aura pas d'école et il ne faut pas que les gens se leurrent. La crise scolaire peut amener à n'importe quelle autre crise. Moi, c'est le sentiment que j'ai et les gens se trompent vraiment d'adversaires. Et votre crainte, c'est quoi la crainte, c'est que d'abord l'année soit blanchie, parce que déjà, euh, j'aurais euh, appris qu'à l'université de Niamey, les années sont élastiques. N'est-ce pas que une seule année scolaire peut durer trois années civiles N'est-ce pas que vous pouvez être un euh, master pendant trois ans sans avoir redoublé N'est-ce pas Et voilà que maintenant des personnes, vraiment pour des questions d'ego, pour des questions d'orgueil, n'est-ce pas Personne n'a porté la main sur ce monsieur. Et je trouve que c'est un abus que de bloquer une, université pendant un mois pour avoir, parce qu'on a insulté un des membres du SINEX. Même si on l'a insulté, un membre, parce qu'on l'a insulté, on ne l'a pas agressé, on ne l'a pas blessé. Vraiment, je crois que c'est, ce n'est pas correct. Et c'est perdre de vue que cette université-là est prise en charge par des citoyens nigériens. Les pauvres citoyens qu'on voit gratter sur le pont, c'est eux qui prennent en charge cette université. Bien. El Suleiman Mamadou, comment aujourd'hui euh, parvenir quand même à, ramener la à l'université et assurer euh, la continuité euh, des, cours et sauver l'année De mon point de vue, ramener la quiétude, en tout cas, si on veut être proactif, euh, je dis peut-être prendre un peu le contre-pied sur un certain aspect de mon, ami Arémi. Mhm. Et il ne faut pas aussi quand même le nier. les étudiants ne sont pas aussi innocents que ça. Il faut le dire. Moi, lorsque j'ai suivi le, euh, j'ai lu le rapport de l'enseignant, j'aurais aimé, quel que soit ce que lui reproche, une fois au niveau de son laboratoire, euh, et qu'ils comprennent que c'est comme leur enseignant, il faut donc euh, éviter donc de chercher. excusez-moi, ce qui est arrivé est déjà arrivé. Nous, sommes maintenant aujourd'hui déjà dans la crise. ils se sont quand même excusés. On a vu que des étudiants ont prononcé, ont demandé excuse. Euh, ils ont fait tous les, recours nécessaires répertoire des griefs qu'ils ont contre donc, euh, la, CASO. Donc je pense qu'il faut effectivement que tout ce qui est anachronique au niveau de la CASO, en tout cas les aspects violations des droits humains, en tout cas, qu'on essaie de réfléchir euh, donc ensemble pour effectivement renoncer aux mauvaises pratiques. Parce que quand le il a dit tout à l'heure, elle était vraiment à l'avant-garde de la lutte démocratique. Donc pour conséquent, c'est inacceptable en tout cas à leur sein que des pratiques, en tout cas, qui violent le droit humain. Donc je pense que il va falloir, au niveau des enseignants en tout cas, qu'ils soient disposés vraiment à dialoguer avec les enseignants, qu'ils reviennent vraiment à de meilleurs sentiments parce que éviter vraiment l'extrémisme, à savoir que vous ne pouvez pas, par exemple, exclure les étudiants des instances, des décisions, ce qui va régler la vie à l'université, et ils sont une partie quand même essentielle. On ne peut pas les, les, les disqualifier. Donc, bref, je pense qu'il faut que les deux parties Enseigner et étudiants, en tout cas, qu'ils soient disposés à dialoguer comme condition, en tout cas, pour qu'on puisse euh, vraiment trouver une situation, en tout cas, une solution durable. Les en deux tout cas, parties. Les deux, parties. maintenant, maintenant l'État, l'État, il a quand même aussi un rôle à jouer de ne pas être complaisant euh, pour une partie ou bien pour une autre. Ça, quand même, je pense que c'est aussi un autre aspect du problème. Sinon, dans ce cas, en tout cas, euh, je sais qu'il est difficile euh, qu'il y ait la police ou bien la gendarmerie au, niveau du campus et que les étudiants puissent accepter cela, ça, va être très compliqué. Euh, Garé euh, moi, je pense qu'il ne faut, pas, faut pas perdre de vue quelque chose de très important. Les étudiants n'ont jamais nié qu'il y a eu une altercation entre la et cet enseignant Maintenant, la question que se pose, mais est-ce que ça valait la peine tout ce qu'on est en train de faire là, bloquer niveau est-ce que ça valait la peine Est-ce que cet incident-là, on n'a jamais dit que la CASO n'a pas de, défaut, oui, n'a pas de tard, que, l'USN a même pris, la décision de vouloir corriger. Mais est-ce que ça valait la peine de bloquer l'école nigérienne Non, ça n'en valait pas la peine. Franchement, comme il l'a dit, c'est un problème d'ego d'une personne, d'un enseignant-chercheur, qui, s'est fait une publicité gratuitement et qui s'est fait vraiment du, mauvais sang pour rien et qui a bloqué les enfants et qui est en train, parce que c'est ça encore la conséquence, cet enseignant-chercheur-là est en train de créer les conditions d'une année blanche à l'université de Niamey. Est-ce qu'il est prêt à assumer cette responsabilité-là, lui Parce que ce qu'on a fait, c'est que d'abord, euh, l'arrêté du recteur, vous l'avez lu L'arrêté de l'article 3. Euh, par rapport euh, à la franchise universelle. Article 3. On demande que pour que l'USN puisse organiser une assemblée générale, il faut qu'elle demande l'autorisation. Est-ce que vous avez vu ça On a été étudiant, on connaît l'USN. Mais tous ceux qui sont les dirigeants de ce pays-là ont la plupart milité au sein de l'USN. Comment voulez-vous ramener l'USN qui a participé à l'instauration de la démocratie, la ramener aussi bas comme ça. Alors, donc, vous pensez aujourd'hui qu'il euh, n'est pas question, il serait très difficile pour, ces organisations étudiantines d'accepter. Non, euh, ils ne vont pas euh, accepter. Vous savez, je vais vous dire, la seule chose qui peut permettre de ramener le calme à du campus, c'est très simple. L'exclusion de ces étudiants-là pour une brutille exclure les étudiants pour une boutique parce qu'un enseignant chercheur s'est fâché. Et on exclut des gens. D'abord, il faut les ramener pour amener la sérénité. D'abord, il faut faire asseoir sur la même table parce qu'apparemment, les enseignants-chercheurs méprisent tellement les étudiants. Qu'ils ne veulent pas être euh, mais la même table. Mais c'est ça le problème qu'on ne dit pas aux gens. Les enseignants-chercheurs les méprisent tellement qu'ils pensent qu'ils ne méritent pas qu'ils s'asseyent avec autour d'une table. C'est normal cela Vous qui êtes leurs parents, vous qui êtes leurs grands frères, vous ne voulez pas vous enseigner, Vous considérez que c'est des moins que rien. Mais non mais sans eux, là, s'ils disent qu'ils n'ont pas d'enseignants, il, a pas il peut y avoir des chercheurs, mais il ne peut pas y avoir d'enseignants sans, sans, sans enseignants. Mais c'est pas possible. L'enseignant-chercheur va partir de l'amphithéâtre s'il n'y a personne, qu'est-ce qu'il fait dans ces cas, euh, mais il revient. la solution passe forcément par le dialogue. La solution passe par le dialogue. Et c'est pourquoi moi j'interpelle le ministre de l'enseignement secondaire. Il faut qu'il revienne. Les enseignements supérieurs. Oui, oui, l'enseignement supérieur. Il faut qu'il revienne à de meilleurs sentiments. C'est-à-dire quoi Il faut qu'il revoie sa copie, qu'il qu'il essaie. Parce qu'il y a des, apparemment, il y a des extrémistes au sein du SNEX qui refusent de s'asseoir avec l'étudiant, qu'il essaie de les convaincre pour que les gens viennent s'asseoir. Quoi qu'on fasse, l'USN, c'est vrai, c'est des étudiants, mais c'est des interlocuteurs à part entière. Et il faut qu'ils s'asseyent pour discuter maintenant, voir les mesures et revenir sur ces mesures-là, d'abord et de, faire des consensus sur faire des consensus. L'ISN accepte de faire des consensus, de revoir l'organisation de la CASO, c'est faisable. On réintègre, les étudiants. On fait un truc à l'amiable et tout le monde signe. Arémi ça ah, c'est votre point de vue C'est mon, mon point de vue. Euh, on ne peut pas, comme le veulent les enseignants-chercheurs, dissoudre la CASO. C'est une. Moi, j'ai fait la CASO, je connais. N'est-ce pas et j'ai été régulé au sein du campus par la CASO. C'est une euh, instance qui vient naturellement. Aujourd'hui, vous mettez 100 personnes, vous les amenez en brousse, vous, les laissez. La semaine prochaine, quand vous retournez, vous trouverez qu'ils ont mis en place une organisation. Et c'est de cela que la CASO répond. Oui, on peut reprocher des choses. Et c'est eux qui sont remis en cause dans cette crise-là. Mais on ne sait pas à quoi sert la CASO. La CASO est composée de quatre sous-commissions. Il y a une sous-commission restauration, une sous-commission hébergement, une sous-commission transport et une sous-commission ordre. Toutes les bagarres, toutes les mésententes entre étudiants, c'est la CASO qui règle et le personnel du commissariat Harubanda dort tranquille. Comment on peut mettre 5 000, 10 000 jeunes gens ensemble sans qu'il y ait une organisation interne en place. C'est impossible. Dans ce cas, euh, dans ce cas, c'est une affaire qui regarde l'USN. Oui, aujourd'hui, ça a peut-être montré des limites. En notre temps aussi, on a remis beaucoup de choses en cause et ça a toujours fait l'objet de débats. Le, le, comportement de certains membres de la CASO. Ça n'empêche pas que la CASO a continué à exister. Ce qui peut être fait, c'est nécessairement, moi je pense, de ramener. Il y a eu un précédent. Hein. Moi je connais que mon collègue Jory Ibrahim a été exclu de l'université dans les mêmes conditions, n'est-ce pas euh, Il s'est débrouillé, ses parents l'ont soutenu, aujourd'hui il est là où il est. Ça ne peut Nécessairement, pas continuer. Qu'est-ce qu'il faut Il faut que les gens s'asseyent autour d'une même table. Les solutions sont là, tout le monde les sait. Et il faut que le SNEX conseille leurs euh, camarades que ce négo-là, n'est-ce pas, qu'ils mettent ça de côté. Il s'agit d'une communauté de 30 000 personnes qu'il faut gérer et que ça peut encore arriver que sa voiture même soit cassée. J'ai appris que dans la même histoire, hier, Mega Principe a été interpellé. Ce n'est pas vraiment une priorité au Niger l'ego d'une personne. Bien, Arimi, nous allons passer à, d'autres sujets. Euh, euh, lundi passé, les promoteurs et directeurs de publication des journaux indépendants ont fait une sortie médiatique. Euh, ces derniers dénoncent ce qu'ils qualifient, je cite, l'assassinat programmé des médias indépendants par les autorités de la 7 République, fin de citation, pour cause les contrôles fiscaux leur demandent de verser, donc les, agents des impôts leur demandent de verser millions, des sommes allant de 6 millions à 18 millions de, nos francs. Je vous propose d'ailleurs de, suivre Idriss Samaïga, euh, qui est le directeur de publication du quotidien privé L'Enquêteur. Au départ, pour ce qui est des journaux que je connais parfaitement, les papiers journal étaient exonérés. Mais avec la loi de finances 2018, ils ont décidé d'instaurer une TVA sur le papier journal. Quand vous ajoutez l'augmentation des prix du kilowattheure de la Nigelec, cela aura nécessairement un renchérissement des coûts de production. Les journaux qui vivent, il faut le dire, dans des conditions déjà très difficiles. Comme cela n'a pas suffi, donc ils ont donné un tour de vis supplémentaire et c'est dans ce cadre que cette dynamique s'inscrit les contrôles fiscaux qu'ils ont diligentés auprès des médias indépendants. Deux ans pour certains, cinq ans pour les autres. Comme je vous le disais, c'est légal, en effet. Mais ce qu'on oublie de nous dire, c'est la légitimité de cette opération. Est-ce que cette opération a été lancée dans l'intérêt collectif, l'intérêt de l'État Je dis non. Ce n'est pas de l'argent qu'ils cherchent. Si c'est de l'argent, c'est pas dans les médias qu'il faut aller le trouver. Arimaba continuer, Est-ce que vous partagez le point de vue de euh, Idrissa Maïga, euh, qui est directeur de publication du journal L'Enquêteur euh, Il était avec ses collègues lundi passé dans une conférence, dans un point de presse. Beaucoup de supports qu'on demanderait à certains journaux de payer 15 millions, à d'autres 9 millions 800 000. moi, je pense tout simplement que ce n'est pas réaliste. Pour avoir exercé euh, la direction commerciale d'un journal pendant des années. Je sais qu'il n'y a aucun journal, en tout cas du, temps que moi je connais, qui est capable de faire une telle recette. Or, l'impôt, c'est le pourcentage, n'est-ce pas, si c'est le 19%, je ne sais pas. D'ailleurs, à l'époque où moi j'exerçais, c'était un impôt synthétique de 160 000 par an par journal. Par bon, an par an par, journal, oui. Euh, si tu ne payes pas, oui, tu peux être confronté à une euh, pénalité, mais la pénalité euh, est rarement supérieure à, à l'impôt initial. Bon, là vraiment, je, je, ne comprends sincèrement pas, et c'est pourquoi j'ai le sentiment que mes collègues Vraiment, ont raison de se débattre et de penser que euh, c'est tout simplement qu'on veut fermer leur boîte. Moi, c'est le sentiment que j'ai. Bien, nous revenons euh, à vous, Suleiman Mamadou. Vous, vous travaillez actuellement dans, dans ces journaux euh, au niveau de, la presse écrite. Euh, est-ce que vous savez concrètement euh, c'est quoi c'est qu'on leur demande de, de payer par Est-ce que c'est échelonné par an, par mois et c'est combien Qui peut valoir 2 millions, 6 millions, Justement, c'est quand même assez curieux. j'ai vu l'ardoise de républicain, par exemple, euh, on nous a essayé par euh, simplement euh, le journal tire 2000 exemplaires, On multiplie le nombre de tirages par le nombre donc de parutions, comme si on, faisait zéro, invendu. donc, donc vous voyez, je pense que c'est un peu il y a, Pour exemplaire, il y, il a manque de réalisme dans cette, dans cette approche. Euh, et les journaux, il faut, ça se font pas comme du pain. franchement, c'est une réalité. Moi, je pense que, comme il l'a dit, si effectivement euh, on est d'accord que les journaux c'est important, parce que je, n'ai aucun doute que si l'État a appliqué cette mesure-là, beaucoup de journaux, sinon l'essentiel des journaux vont, vont, vont, mettre la clé sous le poisson. Alors vous êtes euh, d'avis comme eux que c'est une. Euh, mais justement, mais justement, un parce que c'est notre, notre, profession. Donc euh, en fait, si on appliquait cela, à la lettre. En, tout cas, nous sommes sûrs que l'essentiel des, des, organes de presse vont disparaître. Donc dans ces conditions, que, que faire Que faire ce que nous avons, c'est pas pour rien que jusqu'ici, on a considéré que la presse euh, c'est quand même un, truc assez spécifique parce que comme elle a joué un rôle en tout cas d'intérêt public, qu'on le veuille ou non. En tout cas, les organes de presse, on peut reprocher ce qu'on peut reprocher. Il y a parmi nous des brebis galeuses. Mais les médias jouent quand même l'intérêt général. Euh, donc moi je pense que ce qui a lieu de faire, on a connu par le passé un cas précédent autant de barrières. Ils ont voulu effectivement appliquer cela, mais face à la réalité, ils ont trouvé une, alternative, euh, même si on ne la demande pas aujourd'hui, mais nous disons que, euh, je rappelle qu'un ancien président américain disait que c'était euh, c'est peut-être un peu excessif, parce qu'il mm. disait que s'il faut avoir un, gouvernement sans ou bien des journaux sans gouvernement, il dit il choisit l'autre option, quoi, des journaux sans gouvernement. Donc c'est pour dire qu'en réalité, en démocratie, la presse est essentielle. Et ceux qui sont au pouvoir actuellement, ne dirons pas le contraire. Donc je dis en, résumé, c'est qu'il faut faire attention. Euh, les millions qu'on demande à, qu'on demande on ne peut pas les avoir mais aussi au risque, si on force la main en tout cas, de créer, euh, une situation absolument créer un précédent dangereux. Euh, Garamadou, comment vous comprenez, est-ce que vous comprenez ce qu'on demande à, ces médias, à, ces organes de Sur le plan du principe, moi, de la même façon que le boutiquier du coin, doit payer ses impôts, je pense que euh, les propriétaires d'organes de presse doivent payer leurs impôts. Ça, c'est sur le point. Maintenant, comme l'a dit Suleiman, eh, il ne faut pas compter que ce qui est tiré, c'est ce qui est vendu. Puisque normalement, en tout cas, chaque organe de presse un nombre... qui se respecte, bien sûr, qui a une organisation, parce que ça encore, ce n'est pas le cas. C'est quelques-uns qui en ont des organisations. Mm-hmm. Le républicain, l'événement, l'enquêteur, le reste, c'est le grand désordre hein, en réalité. Oui, n'est-ce pas Donc, <laughs> le reste, c'est vraiment de, n'importe quoi. Il n'y a même pas une comptabilité. Allez-y, votre raisonnement. Hmm. Ce que je veux dire, ce que je vais dire, il faut essayer d'imposer sur la vente, parce que j'ai dit, il y a des journaux qui font vraiment les situations de vente par parution. Sur le nombre de vendus, les non vendus, on considère que c'est un manque à gagner pour l'entreprise. Et donc, c'est sur, sur ce qu'elle a gagné, c'est sur ça qu'on doit l'imposer. Mais sur le principe, j'ai dit, si le boutiquier du coin, chez qui nos femmes partent acheter le condiment, on vient, on trouve qu'il a fermé parce qu'il n'a pas payé les impôts. Si on trouve ça normal, on doit trouver normal aussi que les organes, les propriétaires d'organes de presse puissent payer les impôts au nom de l'égalité de tous devant la loi. Mm. Est-ce que vous comprenez Maintenant, eh, il faut revoir le calcul qui a été fait. Et même si on revoit le calcul, s'asseoir avec les propriétaires d'organes de presse pour trouver, changer. Voilà, trouver un, processus vraiment élastique pour ne pas permettre à la presse de, souffrir, leur donner un, un processus élastique qui va leur permettre de payer petit à petit, sans trop souffrir. Même si c'est échelonné sur 10 ans, c'est faisable. Mais une fois de plus, certains propriétaires d'organes, n'est-ce pas, mm. sont des pachas qui vivent sur le dos de leurs employés, qui sont payés avec des broutilles. Il faut le dire, des salaires de misère. C'est des pratiques non, mais attendez, euh, mais moi je veux bien qu'on dise que, ah oui, oui, qu'on fasse le scandaliser, qu'on fasse... Mais je veux bien. Mais combien vous payez vos agents Combien vous les payez Allez-y voir. 25 000 francs par mois parfois pour des agents de, de, la presse. 25 000. Là où il y a des salaires, j'ai dit bien. Parce que de la plupart, il n'y a pas. Bien. Mais donc, eh, moi, ce que je veux, vous comprenez Moi, je veux bien que les gens se plaignent. Je comprends leur combat, je comprends leur organisation, ils veulent préserver leur truc. Mais ce que j'ai dit, c'est que non seulement il faut que le gouvernement revoie le système de calcul pour que ça corresponde à la réalité qu'on a dit chez mais le principe reste tel reste-t-elle, tout le monde doit payer les impôts, monsieur. Arim, vous voulez ajouter quelque chose Nous allons euh, euh, passer à Tout le monde doit payer les impôts. Je suis euh, d'accord à 1000%. Les impôts doivent être utilisés aussi très très bien dans un pays. Par contre, j'ai fait un calcul simple. Suleiman donnait tout de suite le cadre du républicain qui tire, c'est un hebdomadaire, à 2000 exemplaires. Je crois que c'est l'un des plus gros tirages. Mm. Je sais que la plupart des journaux tirent à 500 exemplaires par numéro. Alors j'ai fait un calcul simple. 300 francs le journal, achète, vendu à 100%, le journal a une recette de 600 000 francs. Supposons que chaque journal qui sort a une publicité de 100 000, le journal a 700 000 francs. Ce qui fait 7 200 000 francs. Euh, non, 32 millions, pardon, l'année. Pour toutes les recettes. Or, les républicains a quand même des, journalistes et ne les paye pas à 25 000 francs. Ok. Non, non, j'ai dit, ah, c'est le, cas où... Ok, voilà. Autrement dit, <laughs> n'est-ce pas, quand on fait tout ce calcul, quelqu'un qui a une recette de 32 millions, on vous a envoyé un impôt, des impôts de 10 millions 400 000. Moi, je pense que ce n'est pas réaliste parce que les impôts, même quand c'est au réel, ça doit être donc au prorata de ce que le, euh, le, prestataire gagne. Donc moi je pense qu'il n'y a pas de réalisme dans cela qu'on demande 16 millions à une télé. Peut-être que c'est vrai, et peut-être je suis en partie d'accord souvent avec euh, que nos collègues journalistes qui travaillent ne sont pas rémunérés à la hauteur souvent de leur, euh, de, leur tâche, mm. même si beaucoup d'entre nous ne travaillons pas, hein, on, on, ne fait pas le travail de journaliste, on va, euh, on se présente, si c'est une présentation, on disparaît, il faut demain à 20h encore Bien. pour venir. Ce n'est pas la même chose. Mais je pense que cette histoire n'est tout simplement pas euh, réaliste. Quand on veut que les gens respectent la loi, la loi doit être correcte avec ces personnes-là. Mais pas parce qu'on ne peut pas demander à un journal nigérien 16 millions. Je pense que euh, il y a quelque chose qui ne cloche pas. Nous passons au, troisième sujet de ce forum sur le plan sanitaire, une nouveauté. Euh, je le disais en début, il a été décidé désormais que les ministres et les députés seront soignés à l'hôpital général de référence. L'évacuation à l'étranger se fera au frais de l'État seulement si l'hôpital euh, général de référence est dans l'incapacité de fournir les soins nécessaires. À cet effet, tout dossier médical d'évacuation sanitaire doit être soumis à l'avis préalable de l'hôpital général de référence qui indiquera la nécessité nécessité ou pas de faire recours aux hôpitaux donc euh, à l'étranger. Euh, Elal Suleiman Mamadou euh, de Niger Inter, quelle appréciation faites-vous de cette mesure du gouvernement Non, dans un contexte où on parle de réduction de, de de vie de l'État, euh, c'est quand même une bonne nouvelle. On pense que des mesures comme ça, effectivement, pourrait vraiment rassurer les citoyens que euh, voilà mais je pense que c'est en réalité lorsqu'on dit dans le pays on a un hôpital de référence ou c'est dans la sous-région en tout cas c'est un des meilleurs euh, c'est tout à fait normal que c'est une aberration qu'on continue de voir nos députés aller, aller, ailleurs donc sur le principe je pense que les citoyens sont d'accord maintenant c'est la mise en œuvre véritablement le respect de cette euh, mesure bien qui est, qui est demandé Donc vraiment, d'un point de vue en tout cas général, je pense que c'est une très bonne chose encore que il faudrait pas qu'il y ait par, cas par cas quoi. C'est-à-dire que comme dans ce pays-là, souvent le respect de, la loi ou bien des, décisions c'est ça le vrai défi quoi, à relever. Amadou Oui, effectivement, ça c'est une, décision merveilleuse. Dans le contexte actuel où euh, une partie de la population est en train de contester la loi de finances, où elle demande au, gouvernement de, faire des, sacrifices aussi. Ça, c'est un bon signal que le gouvernement vient de donner. Mais on va voir de la pratique. Parce que, vous savez, il y a tellement d'arrangements. On dit que non, non, il faut que l'hôpital de référence soit incapable de traiter. En ce moment, on évacue. Mhm. Il ne faut pas qu'il y ait des arrangements entre les médecins et les personnalités. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire mhm. Donc, il faut mettre un mécanisme de surveillance qui va permettre de, bien surveiller cela et de, contrôler. Parce que sinon, eh, eh, eh, c'est des pertes sèches le trésor public était en train de, de, de, Faire, Je n'ai pas le montant exact euh, en, tête, mais c'est des milliards et des milliards chaque année. Les frais parfois pour des, des personnes. Oui, mais, parfois pour des, pour des, pour des futilités. Vous allez voir, le, j'ai mal au dos, je vais à Paris pour me soigner. Mais non, pourquoi Et l'État prend en charge. Et l'État prend Mais est-ce que c'est normal Donc j'ai dit, maintenant, en principe, l'hôpital de référence, il y a des médecins qualifiés, des grands techniciens, il y a le matériel. Je pense que si vous avez des mal de dos, si vous avez mal à la colonne vertébrale, vous n'irez pas à Paris vous allez à l'hôpital de référence de Niamey, on va vous soigner, n'est-ce pas Et si votre cas devient euh, euh, peut-être euh, ingérable, en ce moment-là, avec l'avis du médecin, peut-être on peut vous évacuer. Mhm. Mais vraiment, j'ai je dis, la récréation est assez, assez durée. Et c'est très bien que le gouvernement ait pris cette mesure-là. Arimi Abba, c'est votre point de vue ah, Non, a priori, c'est bien qu'il y ait un hôpital de référence. On m'a dit 500 lits, n'est-ce pas mhm. Ce qui me préoccupe, moi, c'est quoi les conditions d'accès pour les citoyens nigériens lambda ordinaire. Ça, c'est un. Sinon, euh, je, ne pense pas que l'hôpital euh, de référence soit nécessaire, n'est-ce pas, pour réduire les frais d'évacuation sanitaire. Les médecins, ce n'est pas des médecins étrangers qu'on a amenés, que je sache. Et si, si, il y en a. Il y a des Chinois, euh, bientôt des Cubains aussi. Ça, ça n'empêche pas, je pense qu'on a des médecins dans ce pays capables, un collège de médecins capable de décider qui doit être évacué, qui ne l'a pas, bien avant euh, l'hôpital de référence. Et l'État pouvait mettre ça en place même sans l'hôpital de référence. Donc, c'est pour dire que je ne suis pas persuadé que l'hôpital de référence doit parvenir à filtrer, n'est-ce pas, et limiter le nombre d'évacuations. Parce que les gens, ils ont mal à l'œil ils vont à l'étranger. Euh, traitements, qui peuvent se faire ici. Les gens, même leurs enfants, quand ils ont mal à la tête, on les évacue. Aujourd'hui, bon, on nous dit qu'on a une. Euh, euh, d'abord, moi, je ne sais vraiment pas les capacités de. Euh, il faut, il faut attendre de voir parce que un hôpital de référence capable de prendre 500 lits n'est-ce pas, toutes maladies confondues, moi j'aurais bien voulu qu'on me dise voilà quoi, quoi, quoi que cet, cet hôpital peut prendre, peut prendre en charge. Mhm. Parce que, sincèrement, 500 c'est énorme. Hein eh, Et pour un plateau, vraiment, qu'on dise qu'il n'y a pas dans la sous-région, euh, sincèrement, est-ce que c'est le cœur ou des Oui, oui, effectivement. déjà, déjà, le ministre disait qu'il y a quelques trois, plus de 300 euh, euh, opérations, en tout cas, qui ont oui, on dit, Il paraît qu'il y a plus de 15 euh, ma chaîne d'opération, mm. tout ça. Ok, mm. on attend de voir. C'est une très bonne chose qui est ça dans, ce, dans, dans notre pays, mm. parce que euh, même si les coûts restent les mêmes, au moins ça t'évite le, le, frais de transport, de, toutes les tracasseries qu'on connaît pour aller à l'étranger, pour le simple citoyen. C'est a priori une bonne chose. Mais votre préoccupation, c'est l'accès pour, le citoyen pour euh, euh, déjà, vous avez vu comment accéder à l'hôpital national même est très difficile. Ah, euh, j'espère que ça ne sera pas. Ce qui importe de préciser, comme on dit, c'est effectivement un peu cher, mais ce qu'on avait compris, dans tous les cas, il y a un, truc VIP là-bas, c'est incontestable, mais dans leur protocole là-bas, quand quelqu'un vient, quand on amène quelqu'un, vous savez, ils refusent même les accompagnants donc, euh, maintenant, quand tu viens, euh, euh, on, on, voit tout de suite la facture, tu es pris en charge. Hein. C'est après qu'on va faire le, donc, le protocole pour la question de facture. Maintenant, quand est un statut, c'est là effectivement que ça intervient la situation c'est à ce moment-là que c'est compliqué est-ce que c'est quelqu'un qui a qui a qui, qui, doit en tout cas bénéficier de certaines facilités ou bien en tout cas, vous voyez, elle n'a pas, elle n'est pas, elle n'est plus. C'est quoi pour l'État J'ai suivi un peu une communication par rapport à cet mm-hmm. hôpital de référence là. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'est pas que euh, dès qu'on ouvre cet hôpital là, dès que j'ai mal au ventre, je vais à l'hôpital de référence. Non, non, effectivement, ça, doit suivre, ça doit suivre la, pyramide. C'est d'abord l'hôpital national. C'est quand l'hôpital ne peut pas qu'on réfère au niveau de l'hôpital général. Effectivement, il faut bien le dire. Ça, c'est pour le processus. Voilà, c'est très important de le préciser. Effectivement permet C'est pas que dès que le matin, j'ai des mots de ventre, ah oui, je vais à l'hôpital de référence, je pas le taxi, je vais. Non, c'est pas comme ça. C'est l'hôpital national normalement qui est censé référer au niveau. Et en ce moment, euh, quand, quand, quand l'hôpital ou les centres de santé sentent que euh, ce, cas-là dépasse leur capacité, ils envoient au niveau de l'hôpital de référence qui a des moyens plus. Voilà comment ça va se passer en réalité. Nous passons au dernier sujet de ce forum. Donc, les 12 des 15 euh, nouveaux membres du, CC sont connus. Les différentes organisations socio-professionnelles ont donc procédé le week-end dernier à l'élection de leurs représentants et donc, euh, rapidement, Garé Amadou qu'est-ce que vous avez noté de particulier dans le processus d'élection euh, des nouveaux membres du Conseil supérieur de la communication Malheureusement, je n'étais pas là. Tu, n'as pas suivi Je n'étais pas là, j'étais à l'étranger, mais euh, j'ai suivi un peu le processus, j'étais en contact avec certains confrères, et je me suis rendu compte que quand même, euh, les choses se sont bien déroulées, même si par après, j'ai appris que certains voulaient contester, le processus s'est déroulé bien, en tout cas dans le respect des textes. Euh, concernant les élections au CEC et je me réjouis de cela. Maintenant, on attend que le CEC s'installe pour que ses membres permanents puissent être désignés. Eh, Arimé Abba, votre point de vue par rapport au processus qui s'est déroulé Moi, j'ai euh, juste constaté que c'est devenu euh, extrêmement important ça, ça a focalisé l'attention oui, des, des... oui, des campagnes dignes vraiment de députation. Euh, J'ai vu surtout Facebook et les réseaux sociaux facilitant les choses. Et comment vous, vous, comprenez cela Est-ce que vous, vous avez... Euh, Moi, euh, vous savez, même pour la députation, même pour la présidence de la République, euh, vous, voyez cette histoire de Sarkozy qui défrait la chronique aujourd'hui. Quand les gens se débrouillent pour mettre autant de sous pour être élu à un poste, moi je pense qu'ils vont essayer de récupérer ces sous-là, n'est-ce pas, de la même manière. Ils vont, en abusant des biens qu'on va leur euh, attribuer, qu'ils vont gérer, n'est-ce pas, d'une manière ou d'une autre, c'est de cela qu'il s'agit. Sinon, écoute, pourquoi tu vas mettre de l'argent pour être élu pour vraiment rendre service parce que tu es tellement généreux, tu es prêt à donner sept ans de ta vie à cette institution-là, mais aussi tu vas dépenser tout euh, l'argent que tu as pour ta famille pour, pour y parvenir. Moi, je doute quand les gens le font, sincèrement. Et apparemment, beaucoup l'ont fait. Et c'est moi euh, ce, qui fait, ce qui fait que je doute de tous ceux qui seront élus pour avoir donné de l'argent. Euh, euh Suleiman Mamadou, c'est votre point de vue euh, bon, vous, savez, euh, euh, moi je vois plutôt peut-être que l'intérêt, c'est l'aspect compétition. Ce n'est pas du tout une mauvaise chose en démocratie qu'il y ait compétition, mais effectivement, je suis d'avis que l'usage de, l'argent tend à corrompre le processus et l'institution. Est-ce que vous avez noté que cela a beaucoup joué dans, dans ce processus qui, viennent, qui s'est achevé Bon, euh, le constat est fait, mais par, exemple, euh, j'ai vu la critique de, de comment on appelle les, les, fondateurs des, des, médias qui ont fait la déclaration, qui ont fait certaines critiques sur le poste. Là, vraiment, je n'ai pas bien compris euh, le truc. Moi, alors, ce que je sache, il y a des critères pour être. Eh, eh, pour être candidat. Eh, il y a une commission effectivement, qui a, validé. Il y a même des gens qui ont été disqualifiés. Donc, euh, je pense que de ce point de vue-là. On peut donner du oh, crédit. Oh, tout à, tout à fait, quoi. Mm. C'est vraiment contrôlé au PFN que, qui doit être candidat, qui doit être. En tout cas, pour le moins les 12 qui ont été euh, élus, c'est des gens qui répondent en tout cas aux critères. Euh, euh, alors, quelle, appréciation vous faites de leur capacité et leur aptitude à relever les défis euh, qui attendent euh, Moi, je pense que, franchement, je pense que le CSC sortant, quoi qu'on dise, d'un point de vue, en tout cas, du travail, hein, mhm. vraiment, globalement, je pense qu'ils ont abattu un travail important. Il y a des acquis certains qu'il faut chercher vraiment à pérenniser. Est-ce que vous vous attendez à mieux mais justement, justement, parce que si on, on, on vient, on, au moins, il faut améliorer ce qu'on ce qu'on a trouvé. Donc, c'est la moindre des choses. Euh, mais l'autre aspect, c'est que, effectivement, le CSC, c'est une institution vraiment démocratique mmh. qui a, où les prises de décision sont démocratiques. Donc, aussi, on attend que véritablement qu'il puisse effectivement, euh, parce qu'il faut le reconnaître, la régulation en tant que telle des médias, il y a quelques euh, problèmes. Euh, on pense que le CSI n'arrive pas à jouer pleinement son, rôle. Il est important que véritablement cette institution puisse vraiment investir la tendance. Il y a des abus qu'on observe Garé, ça et là. Euh, Garé Amadou, rapidement, en 15 secondes, nous avons le temps déjà écoulé. Franchement, euh, quand j'ai vu euh, sur Facebook des, campagnes avec des affiches, cette débauche d'argent, ça m'a écuré parce que pourquoi Le journaliste, ah, n'est pas riche, un journaliste. Le journaliste, c'est pas quelqu'un qui a de l'argent. Mais alors, quand je vois Il n'y a pas que les journalistes qui ont fait. Non, mais. oui, mais c'est vrai, ils se comptent sur le bout du doigt. Mais, mettre de l'argent pour un truc, c'est la première fois qu'on voit ça. votre attente par rapport à ces euh, L'attente est, grande. Parce que, comme il a dit, le, le, Conseil supérieur euh, de communication passé a abattu un travail formidable. Donc le défi est encore plus grand. Mhm. Parce qu'il s'agira de ne pas faire moins que qui sont, ceux à qui vous succédez, de faire plus. Donc il y a beaucoup d'enjeux. Et surtout être juste dans le cadre du traitement de tous les cas. De tous les cas. Arimabu, euh, un, dernier mot Oui, non, mais c'est le défi auquel ils seront euh, confrontés. Euh, je crois que c'est généralement le représentant du président ou du président de l'Assemblée qui, qui, devient président euh, euh de l'institution. Mhm. Il y a quatre personnes qui seront permanentes, je crois. Et la tâche monstre. Euh, l'équipe de Abdraman euh, va laisser un travail au moins administratif qui a été euh, abattu, n'est-ce pas Et d'ailleurs, ils ont beaucoup veillé, beaucoup de nos confrères ont été interpellés quand ils ont pétiné les droits des autres. J'espère que ça va se poursuivre. C'est vraiment une tâche euh, ardue qui les attend. C'est ici que prend fin le forum de la presse de ce soir. Merci de l'avoir suivi. Je rappelle que nous étions en compagnie de Gary Amadou, du quotidien La Nation, l'âge Mahmoud Suleiman, du journal en ligne Niger Inter, Arimi Abba, de la radio alternative. Présentation à la Sainte Cousine Mamadou, euh, à la technique à Hassan Rendez-vous demain samedi et dimanche de 17h15 pour le forum à Hausa et en Zarma sur le travail domestique des enfants. Excellente soirée à tous et bon début de week-end.